sommes tous liés. Nous sommes tous liés par ce fil conducteur invisible qui nous unit autour d'un idéal commun, de vivre ensemble. Vivre ensemble avec nos sentiments, vivre ensemble avec nos langues et cultures, vivre ensemble dans l'espoir, la beauté, la joie, vivre ensemble dans nos différences, nos combats, nos peurs, nos passions, nos tristesses et nos chagrins. Dans ce mélange se trouve une force invisible qui nous guide vers l'amour, la compassion, l'empathie, la solidarité et le sens d'aller vers l'autre et découvrir. Aller vers l'autre nous a amené à faire le tour du Sénégal à la rencontre d'un immense trésor, l'homme et sa diversité culturelle à travers les langues du monde. Cette aventure nous a conduits au sud-est du Sénégal à Kafountine, un village dans le département de Bignona. C'est dans la verdure et les plages de Kafountine qu'un rêve est né il y a six ans. Emmanuel était encore élève au lycée. Ce rêve a connu le parcours du combattant. De Dakar en Allemagne, Emmanuel n'a pas abandonné sa passion et sa volonté pour la langue d'un pays se trouvant à plus de 5000 km de son continent. Cette fibre linguistique et cet amour pour la langue allemande lui ont été transmis en grande partie par son ancien professeur Herr Gay, ou Monsieur Gay en allemand. Äh, ich finde äh, Deutsch lernen sehr wichtig, äh, denn in unseren in unseren Kontexten, das heißt äh, äh, bei der Globalisierung, äh, gibt es viele Länder und auch viele Probleme. Zum Beispiel hier in Afrika haben wir Vorteile und Nachteile, je nach der Gegend. Und in Deutschland auch gibt es Vorteile und Nachteile. Aber wenn wir hier in Senegal Probleme haben, können wir auch ein, eine Lösung nach Deutschland finden, in Deutschland finden und äh, diese Lösung nehmen und auch in Senegal adaptieren, damit wir weitergehen. Fontaine est une, commune à vocation touristique. Donc, normalement, on doit promouvoir l'enseignement des langues, quelles que soit, quelles soit puisque vous avez des touristes qui viennent ici. Donc, euh, il y a une nécessité quand même de promouvoir l'enseignement de l'allemand. L'année passée, j'étais à Kolda et j'ai fait mon transfert ici. Le censeur m'a dit que c'est la classe d'allemand qui est libre. Et je l'ai fait par curiosité. Tout ce que j'ai appris là, et ça m'a servi quelque chose. Aujourd'hui, ce rêve s'est multiplié et se nourrit à travers plusieurs jeunes passionnés qui apprennent la langue allemande à travers des activités multiples et des approches beaucoup plus adaptées à leur réalité générationnelle. Mariama est en classe de seconde. Elle veut être journaliste internationale et combattre les violences faites aux femmes. Je viens je vis in Je suis une Gymnasium Grâce au club allemand et à la salle allemande équipée pour le lycée de Cafontine, Mariamou, tout comme Ibrahima et plusieurs autres élèves, exercent déjà leur métier de rêve. Mariamou fait des reportages et des couvertures médiatiques à la radio de cafontine en tant qu'intervenant apprenant. des activités comme la laboratoire concernant des élèves qui font allemand dans le lycée de Cafontine Pour devenir journaliste, je prends dans le club allemand. Et Ibrahima rêve d'être technicien depuis tout petit un métier qu'il découvre déjà avec le dispositif multimédia de la salle allemande. Ça, c'est mon rêve parce que j'aime tout ce qui est les machines, les trucs là. Et je veux connaître sur cette ligne. Monsieur Gay et Emmanuel restent toujours en contact et se retrouvent de temps à autre à Cafontine pour voir comment mieux développer le potentiel et les rêves des apprenants de la langue allemande. L'endurance de Hergé à faire vivre la langue allemande à Kafuntin est le mot parfait qui définit Falugay dans son engagement à faire aimer la langue allemande à Kubanao, un village situé à 107 km de Kafuntin dans le département de Bignona. Fallou est originaire du Djourbel, une autre région située au centre du Sénégal à plus de 300 km de Kobanao, son lieu d'affectation. Le SEM de Kobanao a existé depuis, je crois que 1994. Maintenant, c'est depuis l'année dernière, il y a de cela deux ans, où maintenant il y a une scission entre les deux établissements. Le premier établissement, c'est le SEM de Kobanao, et le second, c'est le lycée de Passionné de sport, il est aussi adepte du football, une activité qu'il partage fort avec son pays de cœur, l'Allemagne. Fallou Gay ou Hergay est avant tout un professeur déterminé et persistant. À son arrivée, il n'y avait que quatre élèves qui avaient choisi la langue allemande. Deux ans plus tard, il y a plus de 50 élèves et plusieurs autres sympathisants curieux qui souhaitent rejoindre la classe allemande. Nous avons un professeur qui fait un travail colossal parce que le nombre d'élèves de, d'élèves qu'il a depuis l'année passée, donc on ne l'a jamais eu. Donc pour moi, la langue euh, allemande a sa, chance de pouvoir vraiment donc, euh, fleurir, euh, se développer et, continuer comme toutes les autres langues. Le succès de Falogé ne se mesure pas seulement à son amour pour l'enseignement, mais aussi à sa méthodologie d'apprentissage. Il n'hésite pas à joindre l'utile à l'agréable pour que ses élèves puissent être dans les conditions meilleures. Et cela grâce à la salle allemande entièrement équipée d'outils modernes et pratiques. En plus des moyens didactiques mis en place, s'ajoute le club allemand animé par les élèves eux-mêmes pour renforcer leur maîtrise de la langue. Une innovation saluée de tous, car les résultats parlent eux-mêmes. club allemand les activités les activités les activités les neex de théâtre les allemand làkk allemand c'est sa dee tax nga gën j'ai rencontré M. Diabaté le formateur en allemand qui gère les enseignements apprentissage de la région de Ziguinchor il m'a interpellé pour me dire que si l'allemand se porte bien dans notre établissement donc si on a de plus en plus d'élèves qui vont allemand donc il est probable que je sois avec côté pour qu'on de tisser de partenariat avec une institut allemande. Après Kubanao, nous avons parcouru 57 km pour aller à Ziguinchor, métropole de la Casamance située à plus de 800 km de Dakar. Ziguinchor est l'une des 16 régions du Sénégal avec une population de plus de 600 000 habitants. La région des Bainouk, des mélodies oscillantes, dansant au rythme du fleuve qui débat les bras de l'océan. Le cœur qui pompe les multiples vaisseaux de ballons de mangrove qui cachent le secret des îles paradisiaques. Une ville tranquille où il fait bon à vivre avec simplicité. Une simplicité qu'on retrouve chez un jeune couple qui nous a accueillis. Moussassi et sa femme Oulé Diallo sont des peuls du nord du Sénégal. Ils sont venus de Podor pour s'installer au sein de la sympathie et de l'hospitalité des Diola une hospitalité partagée de tous est magnifiée à l'occasion par un succulent plat de Thiebouyap, ou riz à la viande, un des plats phares des Sénégalais. Moussa est venu à Jigenshore après ses études à Dakar pour servir en tant que professeur d'allemand. Après quelques années, il a épousé son âme sœur en 2020 durant la pandémie de Covid-19 contexte tendu qui prouve que l'amour est plus fort que tout. Dans un océan d'amour et de complicité, Moussa n'a pas hésité à donner quelques cours d'allemand à sa bien-aimée. Le mot allemand qu'elle retient le plus de tous ses cours, c'est Ich liebe dich, qui veut dire je t'aime en allemand. Pour Moussa, Enseigner l'allemand à sa femme est aussi fort d'émotion qu'enseigner à ses élèves. Malgré les défis qu'il rencontre depuis le début, il ne cesse de réfléchir à trouver des solutions innovatives allant dans le sens d'un apprentissage adapté à l'attente des élèves. Nous sommes dans une zone frontalière avec, euh, avec la Guinée-Bissau, donc avec euh, la Guinée-Conakry aussi. Donc il y a aussi un peu le contact de la culture locale, des langues locales avec le, portugais. Il y a aussi la, promotion euh, de la langue allemande. Ce dévouement auprès de ses élèves se magnifie par une proximité d'un vrai mentor. Moussa garde le contact avec la plupart de ses élèves, même après leurs études. Parmi ceux qui sont toujours à Ziguinchor, il n'hésite pas à les rendre une petite visite de courtagie de temps à autre pour continuer à les encourager dans la vie. Aujourd'hui, l'honneur est à Idrissa François Ndiaye, un ancien élève de Hercy, motivé à l'époque par sa mère et ses sœurs. Une vraie affaire de famille. Ma maman, on vit depuis longtemps, depuis ma naissance. On est là, ensemble. Et elle a toujours été là pour moi. Euh, la langue allemande est une des langues euh, vecteurs de la civilisation actuelle. Par rapport au choix de l'allemand, c'est elle qui nous exige à choisir l'allemand. Et en plus de cela, j'étais j'étais très content quand j'entendais les gens parler l'allemand. Et ma soeur aussi, comme mon grand père ils ont tous fait l'allemand. Contraint d'arrêter l'allemand à cause de sa suppression en 2016, c'est avec le cœur lourd qu'Ibrahima et sa mère ont traversé cette époque. Quand j'étais en classe de quatrième, je devais faire l'allemand, mais on l'a supprimé. Et ceci ne m'avait pas plu du tout, puisque c'est comme s'ils ont brisé mes rêves. ça avait brisé mon élan, ça a ralenti mon rythme de travail et beaucoup de choses. La langue que j'avais pris après, je l'ai pris par malgré moi quoi. Supprimer la langue allemande dans l'éducation nationale du pays n'est pas chose que moi j'apprécie très bien. Avec beaucoup d'années passées depuis 2016, Idrissa se remémore encore de quelques bons souvenirs qu'il garde malgré que certains détails lui échappent vu qu'il n'est plus en contact avec la langue on n'avait fait pas fait beaucoup, beaucoup de cours, quoi, puisque c'était quelques cours. Hein. Après, on a supprimé la langue. Seulement les salutations et une chanson, une petite chanson. Veridas, Veridas, das ist Maya. Wie heißen, wie heißen, it heißen Maya, it heißen Maya. It heißt Maya, it comes out Dutch, it's been Maya, guten Ei, <laughs> nous sommes allés rendre visite aux autorités de l'éducation dans la région de Ziguinchor pour discuter des différents sujets concernant l'apprentissage de la langue allemande. Avec une synergie des efforts entre enseignants et autorités éducatives, un réel intérêt et expansion évolutive de la langue allemande s'est fait sentir dans la région de Ziguinchor au cours de ces trois dernières années. À Ziguinchor, il y a le formateur en allemand, il y a les collègues et autres. Et je sais qu'ils sont très dynamiques et aussi il y a l'appui de l'ambassade. L'ambassade euh, de la République d'Allemagne aussi appuie beaucoup l'éducation à travers la formation des professeurs, mais aussi à travers euh, les moyens didactiques. Le travail abattu commence à porter ses fruits, notamment au CMTT Diadjou, où on retrouve deux braves professeurs qui ont trouvé la patience et la détermination à faire évoluer ce qui, au début, semblait irréalisable. Quand je suis arrivée, moi, en troisième, j'avais trois élèves. Herr Diallo, je pense qu'il n'avait pas plus de dix élèves en classe de troisième. Mais depuis l'année dernière, on fait l'allemand à partir de la classe de 5e. Des élèves qui sont en classe de 6e et 5e, qui aimeraient bien découvrir. Car chaque fois, quand je passe, ils diraient que monsieur, l'année prochaine, on se verra, on va faire l'allemand. Donc euh, c'est ça, il y a l'enthousiasme chez les élèves. Au CMTT Diadio, on a 8 classes de 5e. Donc à peu près, on se retrouve avec au moins 700 élèves. 700 élèves, 700 motivations différentes. Parmi eux, la nièce de Tierno Daoud Diallo qui a fait de l'allemand son épée de chevet. Son rêve est de devenir médecin. Elle parle non seulement bien l'allemand, mais elle l'a aussi intégré dans son quotidien. Ich komme aus Ziguinchor. Ich wohne in Kenya en classe de 4e. Comme au sein Kenya, amulon allemand. Léegi oriente orienté ma Tata Bon, j'aime bien lire l'allemand. Je découvre de nouvelles choses. Découvrir de nouvelles choses, c'est l'expérience éminente que nous avons eue à Giguinchor. nous sommes allés à environ 200 km vers le sud-est dans la Haute-Casamance à Kolda, encore appelée le Fouladou, ancienne province de l'historique souverain Alfomolo Baldé dans les années 1800. Entre le 6e et le 12e siècle, cette partie de la Casamance, donc le Fouladou, était sous domination Beinouk. Maintenant, à partir de 1234, au 13e siècle, c'est l'arrivée des Mandingues qui ont quitté l'Empire du Mali avec Tiramakhan Traoré, qui ont fondé l'empire du Gabou sous administration mandingue à partir du XIIIe siècle. Cette partie de la sera sous domination mandingue où on a ce qu'on appelle le Mansa, l'empereur qui se trouve à Kansala et les 32 provinces étaient dirigées par le Farin dans chaque province. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir du 13 mai 1867, il y a eu la bataille de Kansala où les Peuls du Futajalon sont venus en soutien à leur cousin du Fouladou euh, dirigé par Alpha Modobal. 13 mai 1867 que naît le royaume Peul du Fouladou. Aujourd'hui, c'est devenu une grande ville où on parle beaucoup de langues. Plusieurs langues parlées à un point de nous surprendre, car de manière très anodine, une rencontre inattendue s'est faite à l'hôtel où l'équipe de tournage s'était installée. Alors que nous étions tranquillement assis pour nous rafraîchir après un long voyage, un des membres de l'hôtel commença à regarder l'équipe de manière curieuse. Nous nous sommes dit que c'est peut-être à cause du lot de matériel qu'on avait sur nous, appareils photo et autres, mais en réalité le monsieur était en train de lire les écritures sur nos vêtements et autres accessoires. Certains étaient en allemand, du coup il s'est rapproché et a commencé à parler allemand avec une aisance remarquable. Ce monsieur s'appelle Bassiron Ndiaye Bassirou est originaire de Kaulak et est venu à Kolda après ses études en allemand et en tourisme local. Pour lui, la langue allemande a complètement changé sa vie. Mais avant de parler de l'histoire de Bassiro, allons d'abord au lycée Alpha Molo à la rencontre de Joachim Badji, un des professeurs d'allemand du lycée. Nous lui avons parlé de notre rencontre à l'hôtel et Joachim a aussitôt reconnu le personnage. Il était ébloui car il s'agit en réalité d'un ancien ami et promotionnaire universitaire qu'il n'a pas revu depuis presque 8 ans.

ñu def benn rang mu tas ñu ni russe portugais espagnol allemand tombé sur moi allemand bi ma ñëwee je suis tombé sur une dame mu ñëw ne ma welches Datum haben wir heute après mu ne c'est à toi que je parle ma ko ah franchement madame je connais pas je comprends pas ce que vous dites de heute is tant tant tant montak xam nga expliquer légui bima défé lolu france bobu japp na né moy élément déclencheur amour bima am ci làkk bi waaye tamit mais j'ai compris que j'avais raison d'aimer cette langue un jour je xarit ñëw fekk sama papa ci kër naan ko ana Marcus sama papa naan kuy Marcus Je suis la Marcus may ñu eh, Marcus bi suis sama papa ne ma kañ nga Marcus je <laughs> ma université nak vraiment rencontré ko mi ku tudd mi won euh, moom suñu suñu suñu xamante dafa naturel bi may wàcc bi Quand dem ci resto bi ma génn ticket pour ñu pour ñu pour ñu añ mu ma garder il a sorti deux tickets ñu añandoo. y a une raison pour aimer cette langue. l'allemand li ci ëpp ci làkk bi on parle par les narines. kii du ma demandé parce que <laughs> expert la ci. et pourtant c'est une langue où on trouve des mots wolof nix. Dof Dach. Dach. Noch. Noch. À Kolda, nous avons assisté au retrouvailles de deux amis, mais aussi une autre retrouvaille de deux écoles portant le même nom et étant sur la même dynamique de coopération avec le pays allemand. Il s'agit du CM et du lycée Alpha Molo Baldé. Durant ces dernières années, la collaboration entre écoles et le soutien en matériaux didactiques a suscité l'espoir d'un horizon plus brillant pour les professeurs et les élèves passionnés de la langue. Pour apprendre une langue, vous le savez, il faut un certain nombre de, documents. L'Institut Goethe est venu avec, euh, avec un nombre important d'ouvrages. Donc ça déjà, c'est un avantage et c'est un gain assez qualitatif pour vraiment booster l'enseignement de l'allemand dans notre établissement. suñu partenaire Bo wa Allemagne lañ nous ñuy ci côté bu nekk presque ordinateur machine jeu et des dictionnaires. au moment où j'étais là comme professeur les années 2000 euh, jusqu'à mon départ en 2008 il y avait l'allemand qui était enseigné ici parce que le principal qui était là le premier principal du collège feu Mamadou Gassama euh, avait pu nouer euh, un partenariat avec les Allemands par l'intermédiaire d'un de ses frères qui était en Allemagne et qui fut même député là-bas. En juin 2014, on a fait un séjour de neuf jours là-bas. L'école est en coopération avec euh, euh, notre CM pour une rubrique qu'on appelle euh, échange de professeurs. Depuis quelques années, la première promotion, je me rappelle en tout cas d'un élève, mais quand il est revenu de l'Allemagne, il a commencé, ça l'a vraiment motivé, il a commencé à bien travailler. Avec la coopération, on avait cette possibilité d'amener des élèves, 15 élèves au maximum, euh, de partir en Allemagne, séjourner là-bas et de revenir. Euh, l'année suivante, ce sont les Allemands qui devaient venir. Les liens se sont tissés et chaque partie de la coopération essaye de voir les opportunités qui pourront améliorer les modes d'apprentissage, mais aussi l'épanouissement des élèves. À 457 km de Kolda, une communauté à part avec des pratiques uniques, un héritage traditionnel transmis de génération en génération à travers l'initiation. Nous sommes à Kédougou, chez le peuple Bassari. L'initiation des hommes, c'est uniquement le sortir de l'enfant de la, fille, de la vie enfantine et le conduire à la, vie adulte. Dès que l'enfant maintenant a 15 ans, le papa est obligé de, l'initier. Par exemple, ici à Itolo, euh, il y a trois villages qui initient les garçons le même jour. C'est Bara qui commande. Pourquoi Bara commande Parce que c'est là-bas où le grand fétiche des trois villages se trouve, le fétiche d'initiation. Au mois d'avril, tous les anciens des baraques tiennent une réunion pour savoir si est-ce qu'on doit initier les garçons ou non. Pourquoi parce que c'est en fonction de la bonne récolte année d'une mauvaise récolte, ils annulent. Ça demande une forte dépense. donc, s'ils disent que pourquoi pas, on doit initier nos garçons, on a bien récolté cette année. Ok. Et qu'ils prennent un garçon des barrages, qui envoie, qui vient informer le chef du village de Cholo Et le chef du village convoque tous les anciens en réunion à la place du village. Il informe à tous les garçons, tous les vieux qui sont présents ce jour, que lui, il a reçu une nouvelle des barrages qu'il dit que on doit initier nos garçons. Maintenant, dit bon, nettoyer la place du village, remonter tous les murs qui sont tombés, poser les toits dessus et chercher les coques. Chaque garçon, un coq. Et chaque vieux qui doit initier un garçon, il doit monter deux cases à la place du village. Pourquoi deux cases Une, c'est pour garder les cadeaux qu'amènent les, les invités femmes. Comme je disais que nous, nous avons que sept noms, sept prénoms. Donc les femmes, elles vont avec des cadeaux en céréales. La mère du garçon, elle prend le cadeau de la, femme m'a amené, elle met dans une case. C'est dans la deuxième case que le père du garçon garde leur vin pour les inviter. Ok, et les jeunes commencent à danser le samedi, tout en faisant le tour de la place du village. Jusqu'à minuit, une heure du matin, ça dépend d'eux. Puis ils vont dormir en pleine bourse, à un endroit connu par eux. le dimanche matin, dès qu'il fasse jour, ils quittent la brousse, directement par une marche en file indienne à la place du village. Et dès qu'ils terminent le montage des arcs, tous les anciens qui sont présents ce jour-là réunissent tous au petit fétiche d'initiation du village, qui n'est pas du tout grand, pareil que le grand des baraques. Chaque village a un petit fétiche d'initiation. Et c'est là qu'on égorge les coqs pour savoir le bien ou le mal du garçon, selon la couleur des testicules du coq. les testicules du, coq sont noirs, c'est pour ça se porte malheur du garçon. Si c'est blanc, c'est porte bonheur du garçon. Alors maintenant, dès qu'on a tous les états des coqs, on tire beaucoup de coups de fusil. Boum, boum, boum, boum c'est pour informer les masques qui sont à la montagne que les vieux sont prêts. Qu'en ce moment, en ce moment, ils peuvent descendre de la montagne. immédiatement, on voit, comme chaque garçon doit combattre deux fois par deux masques différents. S'il y a 40 garçons à initier, il y a plus de 80 masques. Les 80 ont un chef. Ce chef-là, c'est lui qui porte le masque en, masque, un masque en bois. C'est lui qui se met devant. Alors, lui, il ne fait pas le combat. C'est ce qu'il fait et c'est ce que les autres, masques font. Alors quand ils arrivent devant euh, le lieu de combat, le chef du village prend un ou deux vieux, le chef des masques là, prend un ou deux masques, ils avancent au milieu du cercle. Le chef du village pose la question, vous avez passé une bonne nuit à la montagne, oui. L'autre lui aussi repose la même question au chef du village. Et vous, vous avez passé une bonne nuit à la place du village, oui. Toi, chef des masques, dis à tes masques de ne jamais frapper la tête des garçons par vos bâtons là. Et vous, garçons, ne coupez jamais la tête du masque par vos machettes en bois. Euh, du coup, le, le, reste, c'est autorisé, sauf la tête. C'est le combat qui commence en ce On appelle le, le, masque qui va faire le combat avec le garçon de vieux. Le masque le combat soit fait. Et que dès que tout est fini, ils repartent tous à la place du village parce que au, lieu, de combat, il n'y a pas de femmes. Le lieu de combat, c'est hors de la place du village. Reporte à la place du village pour que les masques reçoivent les cadeaux par les mères des garçons, parce que la maman, elle est contente que son fils a osé les, affronter. Une pâte faite à base de farine de mille, arachide et de sel. Bon, elle donne aux masques. Oui, les masques rentrent. Alors ah, nous, on reste à la place du village. Mais à 5 heures du soir, tous les garçons qui ont fait le combat dans Cholo, dans Yénisara, dans sont conduits au grand fétiche à Yébarak. C'est après que le caméléon qui est notre totem reçoit les, gamins qui deviennent tous des nouveaux-nés du caméléon, tous têtes blessés pendant deux semaines. Ils font deux jours par village, une nouvelle les trois villages, et une semaine de grotte. ils leur fait deux semaines. Toujours tête baissée. C'est-à-dire que c'est la troisième semaine qu'ils ont le droit de relever la tête, de regarder à droite, à gauche. Et ces gamins restent à la place du village jusqu'à pendant un mois et demi avant que chaque gamin rejoigne son domicile. Kédougou, la richesse culturelle ne se trouve pas seulement dans les villages, elle se trouve aussi dans la ville et même dans les écoles. Nous sommes au lycée Kédougou Commune 1, une école où diverses cultures se retrouvent dans une symbiose et une beauté remarquable. Chaque ethnie de la localité représente dignement son héritage. Le spectacle n'en dira pas moins. l'allemand au sein de l'école est, est, nouveau parce que c'est seulement depuis 2019-2020 euh, qu'on a eu le premier professeur euh, d'allemand. On a pris donc une classe de quatrième pour les initier à la langue allemande. Allemand, beaucoup de fi Sénégal tamit. Pour demee Allemagne mën na la servir ci lu bëree mais bon yaakaar naa tamit fii xale yi bu ñu gënee ci allemand bi opportunité yooyu l'allemand. mën ko am. la majorité de la population

foofu tu tu voyages facilement avion ngay jël egg toog le Foulado et le peuple Bassari avec le cœur lourd. Les kilomètres qui ont suivi ont été longs et silencieux. On se remémore encore de leur générosité, leur humanité, leur sens du partage et leur ancrage indéniable à leur culture. Voyager ou partir à l'aventure est toujours une expérience riche en émotions. On a cette impression de vouloir ralentir le temps au moment où l'on se rend compte que cet instant sera bientôt un souvenir parmi tant d'autres le souvenir d'une rencontre, le souvenir d'un visage, le souvenir d'un sourire qui marque un non voulu, des souvenirs et encore des souvenirs inexprimables qui nous mettent dans un état de gratitude profonde. Certes, les corps se quittent, mais les cœurs et les âmes restent connectés à jamais. Nous faisons maintenant cap sur Goudiri, un des départements de Tambacounda. Goudiri est situé à seulement 140 km des frontières du Mali. Goudiri a quand même bien connu ses temps de gouloir au 19e siècle, car étant à l'époque un véritable axe de communication de l'ancien chemin de fer Dakar-Niger. Ah, je suis depuis 2019, euh, 2020, octobre 2020. je suis à Goudiri, c'est ma première affectation ici. Donc c'est ma deuxième année. À notre premier jour au lycée, nous avons rencontré un jeune Bassari originaire de Cholo. Nous avons échangé avec lui. Il a déjà été initié il y a trois ans et actuellement il est venu à Gouduri pour continuer ses études auprès de sa sœur. Il est passionné des technologies numériques et des multimédias du coup, il nous a accompagnés en tant qu'assistants durant notre séjour. Il y a du travail à faire pour la promotion de la langue allemande à Goudiri. Donc, voilà, parce que je n'ai pas beaucoup d'élèves, c'est mon plus grand souci. Raison pour laquelle je suis au collège pour donner des cours là-bas afin d'avoir euh, de l'effectif qui vient euh, ici pour continuer l'allemand. Parce que ce sera un peu difficile d'avoir des élèves ici comme grands commerçants. Bon, des fois, c'est pas motivant d'avoir peu d'élèves parce que le cours ne se déroule pas comme je le veux. Il me faut de l'interaction entre élèves et les élèves, entre les élèves eux-mêmes. Donc oh, voilà, s'il n'y a pas beaucoup d'élèves, ce n'est pas bon, motivant non seulement pour moi mais aussi pour les élèves. Donc je fais de mon mieux pour promouvoir la langue pour que les élèves apprennent l'allemand connaître les avantages, les raisons qui le pousser à choisir euh, l'allemand. parce que c'est une langue intéressante et qui offre beaucoup d'opportunités. J'ai commencé à faire l'allemand depuis en classe de 4e. J'aime la langue allemande, ainsi, que même, même la culture allemande aussi. Mon projet, c'est ça. Devenir euh, un professeur d'allemand ou bien de continuer mes études en Allemagne. Je suis prêt à me, sacrifier, à me sacrifier, à prendre, bon, suite des informations sur l'Allemagne et puis si j'ai la moi-même, pour aller même faire des vacances en Allemagne, je, veux. Mais comme les mois me manquent, donc euh, si l'État veut supprimer l'Allemagne des écoles sénégalaises, je suis même prêt à faire l'impossible. Euh, l'allemand comme langue euh, aussi étrangère est une langue comme toutes les, toutes les autres langues enseignées au Sénégal dans les lycées, comme l'anglais, l'espagnol et autres. Mais je crois que ces années-ci, avec les grands efforts que l'Institut Gauche et aussi la coopération allemande sont en train de faire, finalement, les Gauche s'intéressent beaucoup à cette langue. Il y a vraiment une équipe euh, pédagogique allemande qui est vraiment très active. ils font des visites. C'est la raison pour laquelle nous, croyons que d'ici là, euh, c'est une langue qui pourra aller de l'avant. La, langue, euh, c'est le véhicule. Hein c'est le véhicule, euh, si je peux dire, euh, de, la culture, parce que pour comprendre une culture, il faut comprendre d'un pays, il faut comprendre la langue. La langue, il faut euh, d'abord la parler, il faut l'écrire. La langue allemande aussi, c'est une langue très riche. Les c'est une langue très riche, mais, les jeunes Sénégalais aussi, dans les lycées et les collèges, participent activement. D'après l'exposition que j'ai vue aujourd'hui aussi, c'est des choses très intéressantes qui, petit à petit, je crois que les Sénégalais euh, s'intéresseront et s'intéressent d'ailleurs à cette langue et à ce pays qui est un grand pays, l'Allemagne. C'est le sérieux, c'est l'application, hein, c'est la rigueur, c'est l'amour du bienfait puisque les consignes sont respectées, hein, les gens font les choses de, de manière parfaite si je peux dire. Donc ça, c'est pour un pays qui veut se développer, effectivement, je pense que c'est des, valeurs qu'il faut installer. L'Allemagne, en tant que pays, est un pays de grande culture, euh, sur la pensée aussi, euh, les pensées littéraires, philosophiques d'ailleurs. Donc c'est une grande nation qui a participé euh, au développement du monde hein, et de l'Europe. Voilà. Donc c'est pourquoi nous croyons que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de, faire euh, intéresser nos élèves cette langue pour qu'ils puissent euh, aussi aller vers euh, la découverte de d'autres nations, de d'autres langues et de d'autres civilisations. à la découverte d'autres civilisations et l'un des cris de cœur du partenariat entre le lycée val et d'autres lycées en Allemagne. Beaucoup d'élèves ont eu à bénéficier de ces échanges scolaires, parmi eux Awa. Quand j'ai eu mon e, je suis venue ici au lycée. en j'ai eu à partir deux fois en Allemagne. L'une c'était en seconde et l'autre c'était en, en, première. Je pense que dans un monde devenu un village planétaire, où les langues, les civilisations, les cultures s'entrechoquent, naturellement, les langues et toutes les langues ont leur importance. Par rapport à l'allemand, je dis que c'est une langue qui se porte très bien dans notre établissement. est connu comme étant la ville des plus grandes figures intellectuelles sénégalais, l'un des plus marquants, Maître Valdiodio Ndiaye, dont le lycée Prof. le Valdiodio était avocat, politique et plusieurs fois ministre dans les années 50 et 60. Il est maire de Kaolak en 1960. Il affirme sa passion pour l'ouverture et la fédération des villes jumelles. De suite, Kaolak entre en jumelage avec plusieurs villes en Europe, dont Gelsenkirchen, ville située au nord de l'Allemagne. Valdiodio est aujourd'hui considéré comme figure emblématique de l'Union africaine et la lutte pour l'indépendance. Grâce à ses échanges, il construit des infrastructures importantes, routes, bâtiments administratifs, éclairage, etc. est considéré comme emblématique de l'unité Il y a deux partenariats euh, qu'on a dans le lycée. Le premier, c'est entre le lycée Valjojo et un lycée qui se trouve au nord de l'Allemagne. Mais en dehors de cela aussi, on a un partenariat euh, beaucoup plus large. Ce partenariat s'appelle le programme PACH, École Partenaire de l'Avenir. C'est un programme euh, que le Goethe a mis, en place qui aide les élèves à bien améliorer leur allemand, à effectuer des voyages. Le lycée val compte parmi les trois écoles PACH. C'est en 2008 qu'on a installé ce partenariat parce qu'il y a eu un effort constant des professeurs d'allemand de Kaolac qui travaillaient dans des conditions difficiles, mais malgré ça, avaient tout fait pour booster la langue dans la ville, dans la région. Nous, nous travaillons en équipe. Il y a le coordinateur, il y a euh, le responsable, euh, c'est-à-dire le médiateur avec euh, le centre culturel allemand et il y a la responsable du club d'allemand. Je vais passer la classe de, la classe de 5e. On m'a proposé d'aller à salle à la salle allemande. L'histoire de la salle, pratiquement, c'était un besoin euh, surtout pour les élèves. Euh, depuis que l'on a installé ici, inauguré, donc euh, c'est destiné particulièrement aux élèves qui font allemand. Je suis un peu fort en mathématiques et en physique chimie, Voilà pourquoi on m'a orienté en S, mais je veux continuer la langue allemande. Je veux être un traducteur pour mieux connaître la langue. Entre l'utile et l'agréable, Awa essaye d'accumuler cumuler passion, études et vie sociale, tout en restant brillante à l'école. Je suis devenue la présidente du club d'allemand. En seconde aussi, j'ai été la meilleure élève, je pense, en allemand de ma classe. Et maintenant, je suis en terminale. J'essaie d'avoir le bac. Je voudrais me spécialiser en droit privé. Mais aussi, j'aimerais beaucoup être euh, dolmetscherin, c'est-à-dire interprète ou bien UBZ, de une traductrice. et devoirs à préparer, Aoi ah est aussi une grande sœur de trois filles, autant brillante qu'elle. Sa mère et sa grand-mère la soutiennent dans ses projets de vie et s'assurent qu'elle bénéficie d'une éducation sans faille. Je en Allemagne La première fois, je suis une la famille d'accueil. La famille Lerding. J'ai eu à visiter aussi beaucoup de sites historiques là-bas. Berlin, c'est une ville qui mérite d'être découverte. vraiment bu surtout ñu si waat ci biir kër gi léeg-léeg ngay ñëw sax ci kër gi nga koy fekk fii yàlla xam na ko mais ci biir saal nga koy fekk wala ci néegi maamam te boo ko fekkee ci biir néeg aussi tam ci ay kayam nga koy fekk ay livre am bi mu demee ba bi mu ñibbisee gisuma lu mu changé si moom yokku na nag mu gën a doon koo xamante ne gën a gëm boppam ca lam nekkoon moom xam naa ne man yokku na ci moom lu bëree bëri te biñu ootee réunion parent d' élève bi ma demee lycée wax dëgg fa yàlla jour boobu kontaan naa mu yegg fépp te mu jik aussi yéene naa ko lu bëree bëri parce que moom mooy sama taaw yéene naa ko lépp lépp lépp yàlla xam na ko. waaw dama na kay. yéen am na kuy meer Aida Hmm. sax. nga yëngu ci yëf Serigne Babacar Sy te xamoo yaa des Sy amul. allemand c'est toute ma vie c'est pas parce que je suis forte dans la langue ou bien non non non c'est une langue que que j'aime beaucoup d'habitude j'aime beaucoup l'anglais mais allemand le pousse mu ñeu jël place il arrive que même dans un devoir d'anglais ma wara le def topic ma jaawale mot allemand je suis humain ça veut dire l'allemand pour toujours ay chaque ak ay non dama Deux mois après notre retour à Dakar, Awa nous a appelé au téléphone pour nous faire part d'une bonne nouvelle. Elle a eu son bac avec mention et classée première du centre. Nous avons quitté la ville de Valjojonjai pour faire cap sur la ville de Demba Diop, Mbour. Située à une heure de la capitale, Mbour est connue pour être l'une des zones touristiques les plus attractives au Sénégal. Nous sommes au lycée Demba qui porte le nom de l'ancien député maire de Mbour, ministre de la Jeunesse et des Sports de 1962 à 1963. L'allemand au lycée de connaît une réalité pas comme les autres. Entre sensibilisation et engagement communautaire, nous avons rencontré un professeur d'histoire jouée et un professeur d'allemand qui font de cette langue un moyen de changement positif des äh, mentalités. zwei Jahre Deutsch gelernt äh, an der Universität von Dakar und äh, ich war in Deutschland vierte oder dritte Mal, fünfte Mal. Ma relation avec l'Allemagne ou la langue allemande, c'est depuis ma tendre enfance. Nous, on prend volontiers cet amour à l'environnement, cet amour au travail bien fait, cet amour au respect de la parole donnée, cet amour à la ponctualité. Le club d'Allemagne est dans plusieurs projets. Même des fois des projets qui n'ont rien à voir avec la langue, on sent que si on donne ça au club d'Allemagne, ça peut porter. Le volontariat occupe une place importante dans le développement d'un pays effectivement, les élèves maintenant commencent à savoir ce qu'est le volontariat, ce qu'est l'engagement pour le public. On a organisé des cours de renforcement pour les élèves de seconde, pour terminale et aussi en première. C'est pas gratuit, mais c'est moins cher qu'ici. Et aussi, on a, comme aujourd'hui, on a fait des journées culturelles. Je vous invite prendre cette activité d'aller faire l'exposition parce qu'il s'agit de l'histoire de, l'Allemagne pendant les 100 dernières années. Omnibulé, hypnotisés par la vue incertaine mais promise par les passeurs des côtes espagnoles, ces jeunes Sénégalais chômeurs, déboussolés, sont pourtant animés par une farouche envie de réussir. Oukoumodou, volcan pas, douce Atlantique Océan, sechs Monat später kann nach Lincoln vorbei beiden sein Neffe Tidiane der ensemble ka xam nga ni nga dem ci géej ñaari semaine ci laa ñëw donc war ngaa xamal ni yàlla jël na leen. salaamaaleykum mam ma lay jaar na nga def. benn weer ngi nii gis ñu say rak Ablaye ak Modou. dañoo jaaroon ci gaal te boobu ak tay def na juróom benn weer tay kenn gisu leen dama ne woon sax ba suba ak jàmm dama leen di def defal ak sa parce que man xamuma si lu ñu nekk. ay man Ndiaye. bal jooy bal jooy. L'allemand, c'est une de nos langues qu'on appelle communément LV2. Nous allons nous enraciner, mais nous avons besoin aussi d'ouverture.

public, il faut payer. cest que toi, tu es débarquer, c'est la mairie qui prend en charge, la mm. mairie. Mm-hmm. Les deux missionnaires pour le changement ne se quittent presque pas. Ils trouvent toujours un moyen de réfléchir ensemble sur comment adopter de nouvelles approches beaucoup plus intéressantes pour stimuler et encourager la progression des élèves.

comme doomi ya, yoo xam maa ndax lepp lu may ya, def je le fais naturellement réseaux sociaux yi ak yenn problème def nek yo xamanteni xalé bo len boo orienté wu len comme sa dom rek mën nañu sanko ta sa benn baat bi nga wax rek yow mën na jubal xalé bi âge bi xam ci leen toll ni crise d'adolescence nga xamni xalé xale fa tolloo moment bi lay am ay idole moment bi ci lay baxé ci lay boné il faut nga comme yow jaar nga ci ba génn il faut nga wax len yow fi nga jaar conseiller len conseiller yooyu ñu am ci ñu lu ci ba nga xamanteni Le sacrifice de soi est aussi au rendez-vous de l'engagement. Khair Diouf se bat tous les jours pour maintenir le cap en donnant gratuitement des cours dans une autre école. Il n'hésite pas à aller au-delà de ses heures respectives. donne des cours gratuits d'allemand au Ma mère, je lui ai dit que je voulais, faire l'allemand. Elle m'a, elle m'a encouragée. C'est le professeur lui-même qui doit faire euh, la promotion de la langue, faire aimer la langue aux apprenants. S'il n'y a plus d'apprenants au niveau du collège, on risque de ne plus avoir des élèves ici au niveau du lycée. Même s'il n'y a pas un professeur qui sera affecté exclusivement au niveau du collège, de toute façon, mon intention c'est de continuer à avoir là-bas des classes pour pouvoir avoir ici des petits commençants au niveau, au niveau du, collège. Quand j'étais au lycée, on m'avait orienté dans une langue, dans une classe allemande, mais grand commençant. Alors que moi, je ne faisais, pas de langue je faisais PC. Donc quand j'étais là-bas, j'ai fait une semaine de cours, le prof d'allemand expliquait, je ne comprenais pas. Il, m'a dit ce mot-là, si suis boy dangay xaro ni dañ bañ commencé def allemand depuis 4e ou le 5e, demal nga changer classe. Et dans les résultats, on a eu les résultats escomptés. Donc je veux dire que la langue allemande, c'est une langue que les élèves aiment dans cet établissement. Hello, Club Je suis présidente du club d'allemand. Le club d'allemand est trop actif par rapport aux autres clubs qui sont ici. Allemand, opté en classe de 4e aussi. collège collège mes petits frères et sœurs de faire affaire la langue allemande. Tous, vielen Dank. Thank you. Rombol, cap sur Dakar. Pas le Dakar centre-ville, mais le Dakar périphérique. Nous sommes précisément à Kounoun, dans le département de Rufisque. Même si devenue une petite ville, Kounoun est défini comme un ancien village fondé par les Lébous dans leur migration du nord vers le sud-ouest du Sénégal. depuis que allemand ñëwee ci école bi ma am envie découvrir la langue parce que langue allemand bi yàgg des le lu bëri ci moom yàgg naa seetaan ay film allemand d'habitude damay de football allemand bi tamit qui bokk ma gën influencé pour découvrir la langue bi tamit quoi. un professeur d'abord une personne vraiment formidable parce que depuis il est ici dans notre école. Il tout, il fait tous ses efforts pour motiver. Et donc, en ce qui concerne l'allemand, je peux dire que l'allemand est venu en même temps que moi. Parce que c'est l'année dernière qu'on l'a introduit à l'école. Et aussi, quand on a vraiment proposé à certains élèves de faire l'allemand, donc ils ont été vraiment satisfaits, donc ils se sont engagés parce que la première année, il y a eu beaucoup d'élèves ce sont des gens qui sont stricts, certes, mais euh, ils sont généreux. Et la coopération allemande le, le montre carrément. des élèves très nombreux dans la classe en faisant l'espagnol. Un jour, euh, la señora est venue pour nous dire qu'il y a une nouvelle langue dans cette école. Maintenant, j'avais peur euh, pour cette langue qu'elle soit difficile, euh, difficile à apprendre, difficile à manier. Du coup, j'étais la dernière de la classe à s'inscrire. Et je me suis rendu compte que c'est une, une, langue très facile à assimiler. La langue allemande, on l'apprend, mais en même temps, on joue. C'est très cool. Le lundi, on a 45 minutes du club d'allemand. Il y a d'autres élèves qui viennent assister à notre club. Nous faisons partie d'une collaboration entre nous, le lycée de Kounoun, de Valdiao de Touba et de, et de Yeah. d'une famille, fils d'une ville, mentor d'une jeunesse et l'espoir de toute une génération. Un professeur admirable de par ses qualités humaines. Voici les multiples définitions de Tierno Ousmane schon letztes Mal über äh, mit set, aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. En 2015, j'étais boursier pour aller en Allemagne pour faire une formation sur comment motiver les élèves à apprendre la langue, la musique pendant le cours d'allemand, les images pendant le cours d'allemand. En 2019, j'ai obtenu une affectation ici au lycée de Kounou. Maintenant, on a mis en place un club d'allemand depuis l'année dernière avec des activités. Hmm, et peut-être les élèves ont vu ce changement-là que l'allemand est en train d'apporter ici à l'école. aussi a été très brave d'affronter la langue jusqu'à être aujourd'hui professeur. Lui, peut-être avec euh, vraiment son engagement aussi et sa persévérance, je pense qu'un jour, il va atteindre ses objectifs via la langue allemande. <laughs> bu ma ko waxee lan la ñuy waxee merci mu ne ma dank waa dank sa ma ne ko bita dëgg yar nañ ko yar bu baax dugal ko école muy jàng jàmbaar la si école it kee dugg noonu lañ ko tàkkee xale ba bu muy biñ ko joxee biñ ko mayee affectation xale dañu ñëw fa defal ko benn fête surprise oyof na c'est pas parce que nag sama jëkkër la oyof na des foofu xale des foofu ak papa ji nangu ma kaa wax ne damay dem Ousmane ndax accident ndax bon xelaat naa samay loxo ma daan naka damay dem Dakar mu ne ma Dakar si fan ma ne Dakar bi ma demee nag mu laaj ka xale yi seen yaay li tax lan la xale bi naka Ousmane ndax accident dama entré kii fii entré waat kii fii bu ma demee si biir <laughs> fii jóge fa dem si bi si des ba yàlla def ñëpp tane si jàmm Saint-Louis du Sénégal, Saint-Louis du Beau, Saint-Louis de l'Élégance, Saint-Louis du Raffiné, Saint-Louis au crépuscule parfumé à l'eau du lac et de l'océan Atlantique où se réfugie la mythique Mamkumbabang. Saint-Louis, ville historique où la teranga sénégalaise est érigée comme simple art de vivre. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. v W-I-L-N, kom, K-O-M, M-E-N, herzlich willkommen. Is binnen 17 eh, jaar oud. Is woon eh, in Sanar, dans Saint-Louis. Je lerne Deutsch. En classe 4e, j'ai choisi la langue allemande. Je Ich bin Je hier in Saint-Louis im CM Galel. Il y a la langue espagnole qui est considérée comme une langue très facile et les élèves ont tendance à aller vers cette langue-là. Maintenant, il y a une nouvelle donne, il y a une réorganisation, aussi bien des professeurs d'allemand, des autorités qui travaillent en étroite collaboration pour essayer de renverser cette tendance-là. Il y a des établissements qui n'avaient pas, euh, où on n'enseignait pas l'allemand. Maintenant, on essaie d'y introduire l'allemand en ouvrant une classe de quatrième, par exemple. Maintenant, j'ai fait un constat, surtout par rapport à mes élèves, parce qu'il y a euh, des, mots allemands qui ont un rapport direct avec les mots en Wolof. Si je prends l'exemple du mot Tau, en allemand, ça signifie la rosée. Il y avait une élève qui était très intelligente et qui aimait trop la langue allemande. Mon propre élève m'a poussé à faire d'autres recherches. Maintenant, on fait des clubs d'allemand c'est l'occasion où on profite le maximum pour imprégner les élèves, même qui ne font pas allemand, à s'intéresser à la langue allemande. Puisqu'on parle de collaboration aussi, vraiment, euh, l'ouverture vers les autres horizons, je crois qu'il il est très intéressant que les élèves aient une connaissance d'autres langues, pas seulement la langue nationale, la langue française, mais aussi, pourquoi pas, l'allemand. 1979 que j'ai réussi au, à l'entrée en sixième. J'ai eu la chance d'être orienté au château Charles de Gaulle. À part l'arabe, je devais choisir une langue et on nous avait euh, donné l'allemand. Il y a deux ans, nous avons reçu euh, un groupe de partenaires allemands qui étaient venus pour construire des écoles. Ils avaient la chance de me trouver. J'étais le seul à pouvoir au moins échanger avec eux. À terme, on voulait, dans chaque collège, ouvrir une classe pour permettre aux élèves de 5e, 6e de, recontacter la langue. parce que si elle se prépare eh, mentalement, elle ne pourra pas le faire. Parce que déjà, eh, on nous a amenés ici à l'âge de 11 ans, 10 ans. C'est Au début, c'était difficile, mais après, on s'adapte. Je ne voulais pas faire allemand parce que ma grande sœur avait fait allemand. Et elle a, elle a quand même redoublé à cause l'allemand. Et tous les jours, elle me disait que faire allemand, c'était difficile, tu ne vas pas tu sortir. Mais j'ai considéré ça comme un défi. Avec l'allemand, bon, j'ai réussi à me débrouiller, de suite. Et j'ai vu que euh, j'avais fait le bon choix. Pour dire la pastèque, on dit vassin, melon, et, melon avec l'eau. L'année dernière, j'ai commencé l'allemand. C'était bien en fait. Au début, ça avait, avait l'air euh, compliqué. Quand on venait, on voyait des accents un peu partout. Ça avait l'air compliqué. les mots, étaient un peu durs à prononcer. Mais à force de pratiquer, on s'est rendu compte que ce n'était pas si dur qu'on le pensait. Mon auteur préféré, c'est euh, Arlan Coben. Généralement, c'est des livres, de, c'est des romans policiers, des polars. C'est, ce que, enfin, c'est, le type de livre que j'aime bien lire. ça fait réfléchir et tout. Il y a une histoire, tu dois essayer. Parfois même, tu trouves euh, le criminel avant même que tu termines le livre. Il y a du suspense. Si on n'a pas de prix dans les autres matières, souvent, ou bien toujours, il y a, il y, a, un premier en Allemagne, au concours général. Et peut-être et pas, et pas un concours, ou bien après mon cursus scolaire, je rêve de partir en allemand. Moi, j'ai fait l'allemand dès la sixième. C'était au temps où en fait, il y avait la possibilité de faire l'allemand en langue vivante C'est ce que j'ai continué d'ailleurs en classe prépa en France. Donc j'ai fait en fait 9 ans d'allemand. Quand une délégation allemande arrive et qu'elle trouve des gens, des, des personnalités parlant l'allemand, bien sûr, ça facilite les choses. J'espère que il y aura vraiment des filières porteuses par rapport, en fait, qui tournent autour de cette langue allemande. On essaie d'ouvrir des opportunités pour les jeunes pratiquants allemands. Le plutôt militaire a une longue tradition avec la langue allemande. Nous travaillons aussi en relation avec euh, le Goethe-Institut et nous sommes aussi une école PACH, donc plus de 1000 écoles qui apprennent l'allemand donc, sont réunis de par le monde. La meilleure pédagogie actuellement donc, pour l'apprentissage des langues, c'est la pédagogie donc, active. Chaque année, donc, on participe donc, au grand concours. Donc, il y a le concours d'abord général. Il y a aussi des concours qui sont organisés par le Goethe Institut et l'ambassade d'Allemagne. en forme des citoyens. Parce qu'un citoyen, c'est une forme, mais mais y a tout. Ça nous passionnait, d'autant plus que beaucoup de gens se sont inscrits au club allemand. Aujourd'hui, peut-être quand on était à l'école, ça ne nous a pas trop tiqué. Mais en ayant fini nos études, on s'est rendu compte qu'on avait un plus à mettre sur le CV, un plus à mettre comme qualité professionnelle. est la preuve parfaite que l'on ne s'arrête jamais à transmettre ses connaissances à autrui lorsqu'on dédie sa vie au service communautaire. Ancien professeur d'allemand, il dédie son engagement à l'encadrement des enfants talibés. Äh, ich bin in Kaulak äh, geboren äh, und ich Kaulak, studiert und im Gymnasium. Und daher kam dann äh, also das Projekt, also die Idee eines Projektes, also äh, solche Assoziationen wie Association Jardin d'Espoir äh, zu gründen mit Freunden zusammen. obwohl einer von denen dann zu mir gegangen, gekommen war und hat auch die Idee betont und dann on a inauguré ce centre le 19 avril 2019. Les enfants aussi aiment ce centre-là parce que c'est un peu le refuge. Ils peuvent euh, euh apprendre euh, euh, l'alphabétisation euh, des cours en français. Ils suivent aussi euh, des modules de formation comme euh, en coupe couture et aussi en informatique. Et tout récemment, nous avons initié le jardinage, le micro-jardinage pour les initier quand même. Le personnel est composé de, 12 personnes, c'est-à-dire qu'il y a le bureau qui gère l'administration, il y a les travailleurs sociaux, donc dont Aris, qui est en fait le coordinateur. par la jeunesse son provenance c'est le monde rural bu nous sommes dans les grandes villes zones urbaines nous day am souvent gens genre rupture parce que dafay teel quitté à l'image des écoles classiques qui le font le samedi et le dimanche c'est une fin de semaine c'est le jeudi et le vendredi donc chez nous ce suñu journée yi nga xam intense maintenant c'est juste pour provoquer des déclic ci pour que ñu mën xamné lan lire lan mooy compter day susciter cette curiosité commencer di xool commencer di comprendre mais aussi de poser des questions par rapport à seen vie. nos objectifs c'était pas juste de faire pour tous les enfants talibés mais d'essayer de prendre un nga genre échantillonnage bu nous permettre au moins ñu mën wax ni suñu objectif war nañ atteindre de par les moyens mais aussi le temps bi nga xam la ñu opportunité 215 km à l'est de Saint-Louis, Podor. Le cœur de la région historique du Toro, située entre deux braves du fleuve Sénégal. quand même, en me disant que Herr, c'est pas pour vous vexer. Mais nous, on a remarqué que les profs d'allemand, cest à qu'ils ne s'absentent jamais. Pour moi, ça, c'est un éloge. nit da la J'avais choisi l'espagnol parce que les gens disaient que l'espagnol était plus facile. Et cette année-là, on n'avait pas de professeurs d'espagnol. C'est pourquoi dans tout le, tout le lycée, on avait choisi l'allemand. Et dans les clubs, on a étudié beaucoup de choses. Depuis ma quatrième, j'ai commencé à faire l'allemand. au début, c'était un peu difficile. Je pratique le sport et j'aime ça. Mon rêve, c'est de devenir un professeur euh, de PS. Tous nous avons fait euh, donc, des études germaniques. Avec ces études germaniques aussi, avec euh, la rigueur donc, du terrain. Donc ça nous a inculqué donc, euh, cette culture, du travail. Au niveau du cours, peut-être il y a cette réglementation stricte, peut-être les élèves n'ont pas cette latitude de faire beaucoup de choses, mais arrivé au niveau donc, du, club d'allemand, ils ont cette latitude donc, de se divertir, d'essayer de parler la langue, de communiquer entre eux. En 2004, au CS 1 de Kaolag, donc nous avons notre feu regretté, El Diouf. Bon, on devait entrer à, 15 h on est arrivé à 15h01. Il nous a renvoyés. Depuis lors, je ne suis jamais en retard. sur les notes même, et sur la ponctualité, sur la présence, la fréquence. Je suis satisfaite du point de vue des études en ce qui concerne l'allemand. Puisque si je me fie par aux classes de 4e, euh, toutes les deux quatrièmes A et C, ce sont les effectifs les plus pléthoriques. Tous ces élèves-là font allemand, Ça fait plus de 100 et quelques élèves. C'est valable jusqu'en terminale. Commune située à 7 km de Matam et 700 km de Dakar. Koursogi est une ville majoritairement peule et constitue un véritable carrefour des routes nationales. bandiraɓe min mbiyetemi ko maymoun dia euh, ko ɗo e lycée el haji yaro ɓas ñanggami kadi hande kadi mbiɗa weltono moɗon arde arde mon ɗo henna yidde haaldude yamen e wadde min interview ji on jarama alma ko langga belɗo depuis min gandi ɗum emin daña hen moyen ngaji machallah kadi haɗani min kadi continue jangdamen kadi emin mbaɗi hen fier j'ai commencé l'allemand cette année parce qu'au collège on n'avait pas et en voyant mes grandes sœurs parler, se, faire des dialogues en allemand. Donc ça m'a poussé à apprendre cette langue. J'aime l'allemand. Je veux parler en plus. Je veux m'exprimer en allemand parce que demain, quand j'irai en Allemagne, pour que je puisse parler en allemand avec les autres. On a un très bon professeur qui s'appelle Hel Il nous explique très bien. Donc voilà, on arrive à comprendre ce qu'on apprend. À mon arrivée, il n'y avait pas beaucoup d'élèves qui faisaient la langue. Tout simplement parce qu'ils ne la connaissaient pas. Dans une zone aussi large, on n'y voit que six professeurs. Par exemple, tu prends le cas de Borosegui, ici, il n'y a qu'un seul professeur d'allemand et c'est moi, alors qu'il y a un simple qui est à côté. Euh, mon souhait, euh, c'est de voir la langue allemande arriver là où sont arrivées les autres langues. 嗯。 la ville mythique de l'ancien chemin de fer Dakar-Bamako, l'une des plus grandes régions du Sénégal fondée il y a plus de 100 ans. où on était allé à l'encontre des responsables d'établissement, des élèves, des professeurs d'allemand pour connaître leur motivation. Nimm Zeit zum Denken. Es ist die Quelle der Kraft. Prends le temps de réfléchir, c'est la source du pouvoir. Nim die Zeit zum Spielen. Es ist das Geheimnis ewiger Jugend. Prends le temps de jouer, c'est le secret d'une jeunesse éternelle. Nim die Zeit zum Lesen. Es ist der Brunnen der Weisheit. Prends le temps de lire, c'est la source de la sagesse. Au club, euh, on fait des activités comme, comme aujourd'hui. Tous les mardis et les jeudis, on vient ici à l'école avec Khair qui nous fait des cours gratuitement. Au début, c'est difficile, stressant aussi, d'apprendre une autre langue que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Mais finalement, avec le PASH, PASH Los Gates que j'ai fait avec Ibrahima, des cours que nous faisons en ligne avec un professeur en vue d'aller en Allemagne plus tard. je veux continuer aussi l'allemand si je continue à apprendre je devrais être plus fort que mon prof. l'allemand avait commencé à mourir dans les CM également depuis 2016. On avait commencé à supprimer l'allemand au SEM. depuis lors, c'est moi qui tiens les, classes de quatrième ici. Cette année-ci, le nombre a augmenté. J'ai deux classes de quatrième et une classe de troisième. Ce sentiment de satisfaction des élèves, c'est un peu dû à l'environnement. Parce que il y a peu d'écoles qui ont cet environnement-là calme. Les meilleurs élèves que j'ai en allemand, ce sont les meilleurs élèves dans les matières scientifiques, ce sont les meilleurs élèves dans les matières littéraires. Je ne peux qu'être satisfait comme la principale. Le projet du CM Fayou a été initié par l'ONG Hilfe for Sénégal. Donc, ils ont financé la construction. La cour est balisée, l'accès des salles, tout est prévu pour ces élèves-là au niveau du collège. Donc, je dis que c'est le premier collège inclusif du Sénégal qui devait accueillir aussi des élèves à besoins spéciaux, notamment des non-voyants, des handicapés moteurs l'ONG Il faut Sénégal, donc, qui suit toujours le projet. Parce que d'habitude, tous les six mois, il passait s'enquérir de la situation du collège. Je voyais mal un collège entièrement financé par la coopération allemande, qu'on fasse LV2 arabe, LV2 portugais, LV2 espagnol et qu'il n'y ait pas élevé de ville de l'Est du Sénégal. Tambaconda est une région limitrophe du Mali et de la Guinée. Un carrefour régional où l'on parle diverses langues comme le bambara, la ainsi que le wolof. Quand l'élève arrive en seconde, voilà, que ce soit l'élève, que ce soit le parent, on recevait beaucoup de demandes de réorientation pour quitter l'allemand et aller faire euh, d'autres langues telles que l'espagnol et le portugais parce que ce sont ces langues que les élèves connaissent depuis le collège. Mais pour contourner tout ça, euh, donc sous l'autorisation de l'inspecteur d'académie, on a commencé, donc les professeurs qui sont là ont commencé à tenir des classes de quatrième. Donc l'année prochaine, ça sera des troisièmes. Et dans deux ans, ils vont nous arriver au lycée et ça va nous faciliter l'orientation. Je fais l'allemand. C'est cette année-ci que j'ai commencé à faire cette langue. Même les élèves qui font l'espagnol, russe et d'autres langues ici dans ce lycée adorent cette langue. Euh, à l'époque, euh, nous étions six professeurs au niveau du lycée, mais quand même, euh, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le nombre d'élèves qu'on devrait avoir ici à l'époque n'était pas ce que ça devrait être parce que tout simplement la langue n'était pas encore découverte dans la zone. en classe 3e, j'étais venue ici à Tamba, mais les écoles euh, qui étaient ici ne faisaient pas la loi au collège. J'ai beaucoup pleuré, mais j'étais obligée de faire l'espagnol. Après, j'ai fait l'espagnol. Et en classe de seconde, j'ai continué avec l'allemand. Et ça a été avec plaisir de retrouver ma langue préférée. Vu que je suis en S, je continue la CRS donc je serai obligée de ne pas continuer de langues. Dans ce cas, je, ferai de, mon mieux pour avoir, par exemple, un prof à domicile. On voit qu'il y a encore beaucoup d'intérêt qui est porté sur la langue et on reçoit encore euh, des élèves, euh, en tout cas beaucoup d'élèves euh, au moment où nous sommes. Donc les gens sont beaucoup plus intéressés et je pense que c'est une langue quand même très épanouissante où vraiment il y a beaucoup de, retombées qu'on peut avoir avec la langue, il y a beaucoup de possibilités j'ai été choisi par les Allemands pour que j'aille faire le stage d'entraîneur international en tennis de table. Et j'ai fait un cursus scolaire à l'université d'une durée de 5 mois. Le fait d'amener quelques étudiants ou bien quelques euh, élèves pour aller en Allemagne pour euh, des formations dans diverses euh, disciplines, c'est déjà bien. Du moment où ils reviennent dans leur pays respectif, ils vont faire la restitution de ce qu'ils ont appris. après Tamba, nous sommes remontés vers le delta du Sine-Saloum pour la dernière partie du voyage. Nous sommes dans les îles du Saloum, le royaume de la mangrove, des bras de mer et des presqu'îles paradisiaques. nous faisons beaucoup d'activités. Depuis seconde, comme via allemand, bonne que euh, terminal. Mais Bougamou continue allemand aussi. Puisque j'ai déjà fait l'espagnol, j'ai dit que je vais, je, vais découvrir une nouvelle langue. Et donc j'ai choisi de faire l'allemand. Tout le temps, on fait des exercices. Nous avons mis en place un club d'allemand au lycée, voilà, pour euh, euh, susciter le désir donc euh, vis-à-vis de la langue allemande des élèves, mais aussi leur permettre d'avoir euh, beaucoup de connaissances par rapport à cette langue. donc, c'est une zone pratiquement touristique. à partir de Palmarin, donc Dangan, Palmarin, vous entrez dans les îles du Saloum. La langue allemande dans notre lycée, je dirais que irlandais à sa sixième année. Pourquoi maintenant j'ai choisi cette langue À cette période, j'étais censure de l'établissement. C'est parce que j'ai vu que c'était une langue bénéfique pour nos élèves. Et ça permettait également de diversifier euh, leur ouverture linguistique. Souvent, il y a des déficits en, il y a des, déficits en salle de classe. En fait, on ne se plaint pas, mais on dit souvent que les défis sont faits pour être relevés, mais il y a beaucoup de défis à relever ici. On a l'habitude de dire que professeur Yaya sa matière. C'est elle qui a été la première à enseigner l'allemand ici. Ce qui m'avait motivée à choisir la langue, c'était tout simplement étant jeune, je trouvais la langue très belle à travers la télévision. La motivation a été plus vécue à mon niveau grâce à mon professeur d'allemand de la quatrième. Je me suis dit pour faire passer un message, il va falloir euh, commencer par euh, les activités lucratives du club. Alors à travers ces activités lucratives, euh, on y apprend aussi. C'est tout court un jeu d'esprit mais on met l'accent aussi sur les activités pédagogiques dans le club. Au début, bon, je ne comprenais rien du tout mais au fur et à mesure, l'allemand est devenu une langue que j'aime beaucoup et aussi que je préfère parmi les matières que j'étudie. Si on termine les cours, on va aller au Goethe Institut pour faire une camp de formation. Par la suite, on va aller en Allemagne. On n'a pas besoin d'une peur. Avoir peur est une faveur que Dieu te donne. Allah te fait la peur pour libérer ton adrénaline. Lolo là. La peur doit te rendre capable de te battre face aux situations difficiles. Il faut avoir la capacité d'écouter tout le monde. Il faut avoir la capacité de lire tout le monde. Il faut écouter la musique de tout le monde. Deutschland Lied, c'est une chanson. La langue allemande, l'alphabet allemand est une chanson.